le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Ce soir, dans notre forum, nous allons nous intéresser à la question des allocations budgétaires, notamment la sensibilité au genre, l'éducation et la sécurité dans les prévisions budgétaires de la loi des finances 2021. Le Niger a examiné et adopté le projet de loi portant loi des finances pour l'année budgétaire 2021. Il a ainsi été arrêté. Le projet de budget général de l'État à une somme de 2644,54 milliards de francs CFA, contre 2422 milliards de francs CFA en 2020, une hausse de 222,21 milliards de francs CFA. Selon ces documents, le projet de loi prend en compte les orientations du programme de renaissance et les choix stratégiques définis par le gouvernement, notamment dans le plan de développement économique et social PEDES 2017-2021 et le programme économique et financier PEF 2017-2021, conclu avec euh, les fonds monétaires internationaux. Alors, comment la loi des finances 2021 prend en compte la question de sensibilité au JAR, à l'éducation et aussi la question de sécurité Est-ce que les prévisions de la loi des finances 2021 pour le JAR, l'éducation et la sécurité peuvent permettre d'atteindre efficacement les objectifs fixés dans les domaines en question. Pour euh, vous apporter des réponses satisfaisantes à toutes ces interrogations posées et à bien d'autres, que nous avons invité Hassan Boukar, qui est directeur des politiques publiques au niveau de Alternative Espace Citoyenne, Jory Ibrahim, qui est analyste en matière budgétaire domaine sécurité. Nous avons également invité M. Aïssami Chiroma Mahamadou, directeur de projet au programme au niveau du ROTAP, réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. D'une manière générale, la loi de finances est définie comme l'acte législatif par lequel le Parlement vote le budget de l'État. Cet acte autorise le pouvoir exécutif à percevoir l'impôt et à engager des dépenses publiques pendant une période déterminée et peut contenir d'autres dispositions relatives aux finances. Elle est la principale expression du consentement à l'impôt. Alors, chers téléspectateurs, nous allons interroger la loi des finances 2021 au Niger en vue de savoir quelle est la place qu'elle réserve à la question de sensibilité au genre, à la question de l'éducation et aussi de la sécurité. Pour débuter, nous allons demander à nos invités de nous dire de manière générale et résumée quelle est leur appréciation par rapport à la loi des finances 2021. Commençons par Monsieur euh, Hassan Boukar. Merci beaucoup. Merci pour euh, cette question. Alors, comme vous le dites, euh, le budget 2021 a été adopté par le Parlement en début décembre. Euh, c'est un budget un peu particulier pour moi. Il est d'autant plus particulier qu'il arrive euh, pratiquement à la veille d'une élection. Euh, donc c'est un budget qui peut apparaître comme un budget pour payer les salaires et gérer les affaires courantes jusqu'à ce que le processus électoral prenne fin et qu'une équipe élue, un nouveau gouvernement s'installe et en ce moment, je pense qu'on aura affaire au vrai budget. Dès lors que euh, le gouvernement qui arrive peut avoir des ambitions, peut avoir une approche totalement différente de celui qui a fait la proposition actuelle. Donc euh, le gouvernement qui sera élu après les élections peut faire en sorte de changer euh, les prévisions Oui, je pense que le gouvernement qui sera en place, puisque le budget est quand même un document avant tout politique, au-delà de toute la dimension économique, de tout ce qu'on peut dire, c'est quand même avant tout un document à travers lequel une équipe euh, gouvernementale exprime mhm. ses priorités euh, sur le plan économique, sur le plan social. Donc pour moi, il s'agit vraiment d'un budget qui est fait, qui a été adopté, qui peut euh, paraître presque provisoire en attendant donc que les élections arrivent. Mais pour parler du budget même tel qu'il a été adopté, vous l'avez dit, il s'élève à 2644 milliards. Si on le compare au budget en cours, c'est-à-dire le budget de l'année 2020 qui est en cours d'exécution, euh, il connaît une croissance d'à peu près 5%. Euh, le budget en cours, euh, au vu de tous les changements qu'il a connus en cours d'année, s'élève à, à peu près 2422 milliards, comme vous l'avez dit. Donc si on fait la comparaison, la croissance est à peu près de 5%. Qu'est-ce qui nous intéresse Nous, comme d'habitude, on regarde surtout un certain nombre de domaines sur lesquels nous travaillons, en particulier le secteur social. Et la question de l'éducation est une question essentielle à laquelle on s'intéresse. Sinon, les autres aspects qui nous intéressent, c'est aussi de voir comment ce budget est financé. D'accord, donc euh, merci Hassan Boukar d'Alternative Espace Citoyenne. Avant de revenir à vous, nous allons demander à Dior Ibrahim de nous dire, quant à lui, quelle appréciation a-t-il de ce budget de 2021 ou quel élément euh, d'ajout peut-il apporter par rapport à ce que euh, vient de dire Hassan Boukar Oui, bien entendu, en plus de son caractère consubstantiellement provisoire, parce qu'il finance les priorités du partant. Et celui qui est à venir, on ne sait pas ses priorités. On voit une certaine constance par rapport aux pratiques antérieures. C'est à dire qu'il place toujours l'équipement en premier lieu de ses options. L'équipement immédiatement après les services de la dette. On voit au regard de, de son contenu, que ce qui est présenté comme priorité constitutionnellement consacrée ne, figure pas comme tel dans, le, dans la loi de finances 2021. Parce que quand on prend la Constitution, elle fixe un certain nombre de secteurs qui sont cités comme prioritaires. Le raisonnement logique commande de voir une importante part de ce budget consacré à ce que le constituant a décidé comme prioritaire parce que le pouvoir parlementaire est tenu par l'obligation, en adoptant ces lois, de se conformer aux injonctions du constituant qui est son supérieur légalement hiérarchique. Et on voit bien ce choix vers des équipements en reléguant un peu les secteurs comme l'éducation, mhm. euh, à un certain niveau, on peut dire marginal, mhm. au regard de leur importance et aussi au regard des engagements pris par les gouvernants. Mhm. Euh, à peu près, ça fait moins de 13% qu'on a de budget pour le secteur de l'éducation, alors que l'engagement même du président qui est à la fin du mandat eh bien, est de consacrer au moins 25% du budget euh, de chaque année dans le secteur de l'éducation. On voit bien qu'il n'est même pas à la moitié de l'engagement qu'il a appris alors que c'est la fin. Donc au bout, ça débouche sur, euh, franchement, le non-respect de cet engagement. D'autres secteurs qu'on peut voir comme euh, l'agriculture, qui constitue une des priorités consacrées par l'article 153 de la Constitution, le ministère qui est euh, en charge du domaine a pratiquement 4,3%. Lorsqu'on y ajoute quelques allocations qui sont à la présidence, au cabinet du Premier ministre et dans les autres institutions, en tout cas, on se retrouve avec moins 10%. La particularité aussi de ce budget, euh, son caractère est donnant. Mm. Le respect de la coutume euh, choisie par le président, c'est aussi l'importance des ressources allouées au cabinet du président de la République, mm-hmm. avec tout ce que cela implique comme une sorte de présidentialisation de la gouvernance budgétaire. Mm. Donc, euh, à vous entendre parler, c'est comme si le budget tel que revue pour 2021 ne répond pas aux attentes constitutionnelles ou normes Pas du tout. Il est susceptible de beaucoup de critiques, ce budget. Mais en fait, il est resté c'est les mêmes critiques que nous avons depuis toujours formulées à l'encontre des différentes lois de finances depuis une dizaine d'années. Mhm. Mais on, a l'impression, en les lisant, que les critiques antérieures n'ont pas servi à mhm. rectifier certains choix qui sont opérés. Le gouvernement est resté campé sur sa position et il est parti dans la logique qu'il aura choisie malgré les dénonciations, les interpellations des acteurs sociaux et consorts. Mhm. et sa logique est restée constamment la même. D'accord. Donc, merci. Merci. Nous avons compris, monsieur. Euh, Ibrahim. Nous allons à présent parler euh, éducation avec M. Hassan Boukar. M. Hassan Boukar, dites-nous, dans les prévisions budgétaires 2021, euh, qu'est-ce qui a été alloué au secteur de l'éducation et est-ce que cela, selon vous, peut permettre de répondre aux attentes euh, dans le domaine de l'éducation Quand vous dites le secteur de l'éducation, on fait allusion mhm. aux principaux ministères qui sont du domaine on peut citer au moins les quatre ministères, c'est-à-dire enseignement primaire, secondaire, supérieur et formation professionnelle, mais aussi un certain nombre d'institutions à travers lesquelles l'État fait des dépenses d'éducation. Donc, normalement, l'ensemble du budget de tous ces secteurs-là devait atteindre 25%. Mais lorsque vous prenez les quatre les quatre ministères, Jory l'a dit, vous n'atteignez pas 13% c'est-à-dire les quatre euh, principaux ministères. Et selon vous, qu'est-ce qui justifie cet écart On parle euh, tantôt dans les programmes de 25% et que voilà, aujourd'hui, dans, euh, dans la loi des finances, il y a 13%. Qu'est-ce qui peut justifier cet état de fait mm, mm, Pour nous, rien ne le justifie, mhm. mais il y a sans doute une explication pour ceux qui ont choisi de le faire. Mhm. Mais normalement, je pense que le gouvernement qui a choisi, ça fait au moins euh, quoi euh, Le président Issoué, à la fin de son deuxième mandat, ça fait quasiment dix ans. Il a donc eu dix ans pour montrer aux Nigériens qu'il était sincère lorsqu'il parlait d'allouer le quart du budget national au, secteur de l'éducation. Donc, euh, on fait le constat, en tout cas, aujourd'hui, qu'on est très loin. Alors, là, les quatre ministères font un peu plus de 12%. Les, les autres dépenses de l'éducation qu'on retrouve à travers les budgets, c'est des dépenses euh, mineures, j'allais dire, mhm. qui renvoient par exemple euh, au financement d'une école comme l'ENICAS dans le domaine de la santé, ou si vous prenez dans le secteur agricole, l'IPEDER par exemple, ou lorsque vous prenez euh, les frais de scolarité des enfants des diplomates nigériens. Généralement, on le retrouve au ministère des Affaires étrangères et un certain nombre d'institutions à travers lesquelles on retrouve mhm. des dépenses d'éducation qui sont mineures. L'essentiel passe par ces quatre ministères. Alors, les quatre ministères totalisent à peu près 316 milliards. Donc, ça fait à peine 12, euh, je sais pas, 29 ou 12,3 du budget national. Alors, <clears throat> l'autre chose qui est intéressante, c'est quand même des, Je pense que c'est important pour ceux ceux qui, nous écoutent. Si vous prenez ces quatre ministères, on peut essayer de caractériser leur budget. Par exemple, euh, deux ministères se distinguent par le fait que l'essentiel de leur budget est consacré aux dépenses de personnel. Mm-hmm. C'est le cas du ministère de l'Éducation primaire mm-hmm. et du ministère de l'Enseignement secondaire. Mm-hmm. Si vous prenez le ministère de l'Éducation primaire, alors, quand je parle de dépenses de personnel, ça renvoie au salaire, n'est-ce pas, et aux autres traitements liés au salaire, notamment aux indemnités. Et ces salaires sont divisés en deux parties. Vous avez les pécules des enseignants contractuels puis vous avez le salaire des enseignants de carrière. Les deux cumulés vous font à peu près 129 milliards pour l'enseignement primaire, sur un budget total du ministère de 157 milliards. Mm. C'est-à-dire sur une enveloppe globale de 157 milliards alloués au ministère de l'enseignement primaire en 2021, à peu près 129 milliards, ce sont les salaires. Mm. Ça fait plus de 80% du budget du ministère de l'éducation primaire pour le ministère de la de l'éducation secondaire, vous avez les pécules et les salaires cumulés qui font à peu près 45 milliards. Et ça vous fait là plus de 60%, à peu près 62% du budget du ministère de l'enseignement secondaire, qui est de 71 milliards en 2021. Donc, ces deux ministères, et je pense que c'est presque une constante, mhm. en tout cas depuis plusieurs années qu'on s'intéresse au budget de ces ministères, vous avez toujours un budget qui est hyper dominé par les dépenses de personnel. Mhm. Maintenant, les deux autres ministères, par exemple, vous prenez l'enseignement supérieur. Mhm. Au fur et à mesure, n'est-ce pas, qu'il y a eu la création de nouvelles universités et donc des charges nouvelles, là, vous avez une prédominance des dépenses liées aux subventions des universités et aux subventions des centres des universitaires. En 2021, pour vous donner des chiffres, l'enseignement supérieur a un budget de 56 milliards. Donc, sur ces 56 milliards, vous avez par exemple les subventions aux universités qui font plus de 18 milliards. Vous avez les subventions maintenant aux centres des universitaires qui font à peu près 8 milliards. Ça fait déjà beaucoup d'argent. Alors, si vous rajoutez le volet bourse. Alors, la prévision pour 2021, c'est 15 milliards qui est prévu pour les bourses. Mhm. Puis en dehors des étudiants boursiers, euh, je pense que depuis un certain nombre d'années, il y a des petites euh, aides qui sont données à des étudiants qui ne sont pas boursiers. En 2021, il y a à peu près 2,3 milliards qui est prévu dans, dans ce cas. Alors si vous faites le cumul de 18 milliards de subventions aux universités, de 8 milliards au centre des universitaires, 17 milliards de bourses et un peu plus de 4 milliards de salaires pour euh, les, agents de l'enseignement supérieur. Mhm. Ça vous fait déjà presque l'essentiel. Mhm. 45 ou 47 milliards du budget du ministère de et Donc là, on voit une prédominante des dépenses liées au fonctionnement de l'université. Derrière les chiffres, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui, qui se cachent. Et mhm. c'est pour ça qu'en matière de budget, au-delà du chiffre lui-même, c'est bien de voir qui cache ces chiffres et c'est surtout cela qui est instructif pour l'opinion. D'accord, merci M. Euh, Monsieur Hassan Boukar. Nous allons revenir avec jory euh, Djori Ibrahim pour nous parler des allocations budgétaires euh, par rapport à la question de sécurité. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui On sait que le Niger traverse une situation difficile depuis quelques années en matière de sécurité. Qu'est-ce que le budget 2021 prévoit pour la sécurité et, et que pensez-vous de cette prévision budgétaire En termes de chiffres, et que le budget du ministère de, Défense, parce que bon, pour distinguer un peu les deux, souvent, on met au moins les deux ministères qui prennent en charge la question de défense et de sécurité. Mais sur la question de défense proprement dite, il y a le ministère de Défense qui prend en charge euh, donc les questions de la défense du territoire dans le contexte du conflit. Et on voit le projet dans le cadre de la loi de finances 2021 les est à peu près 112 milliards de francs CFA pour ce ministère-là qui connaît une certaine diminution de l'ordre de, près de 10 milliards par rapport à l'année antérieure, mhm. parce qu'il était en 2020, à l'année donc en cours là, mhm. autour de 121 milliards et poussière pour le ministère là de la Défense. Donc il y a une certaine diminution. Et qu'est-ce qui peut, par exemple, expliquer cette Je ne sais pas ce qui... au fait que peut-être la sécurité, la paix est en train de revenir Non, techniquement, vous ne pouvez pas le soutenir mhm. que la paix et la sécurité est en train de revenir mais en fait, au fond, il s'agit là pour une première lecture des chiffres. Mhm. Et quand on voit aussi la même diminution s'observe au niveau du ministère de l'Intérieur qui a environ 98 milliards, mhm. parce que les deux se complètent à travers la sécurité qui consiste à défendre l'intégrité du territoire et l'autre qui assure un peu la, euh, la paix intérieure. Mhm au niveau de, ces deux, il y a une certaine diminution. On voit une, euh, même à l'intérieur du ministère des Finances, mm-hmm. l'élément, le poste le plus qui absorbe les ressources, c'est le programme lié à la sécurité, à la défense intérieure, à la défense intérieure, mm-hmm. n'est-ce pas, au niveau du ministère et aussi à la sécurisation du territoire pour le ministère de défense. Mm-hmm. Bon, ces deux-là, le fait qu'on a lourd des ressources, n'oublions pas l'histoire qu'il y a quand même autour du ministère de défense ministère de la Défense, c'est vrai que le top de ces, de ces ressources était observé en 2017. À partir de 2017, il y a quand même une certaine régression. 2011 jusqu'à 2017, il y a une progression importante parce que 2010-2011, euh, c'était autour de 40 euh, milliards. Mhm. Puis ça a grimpé jusqu'aux environs de 170 euh, de l'année 2000. Mhm. Puis maintenant, on assiste à une certaine euh, régression. de la part allouée à ce secteur-là de 2000. Mais n'oublions pas que c'est au moment, en, 2017, mhm. c'est aussi l'année qui a connu le point de départ au regard de l'audit de ce ministère-là, mhm. suffisamment de scandales financiers parce que entre 2017 et 2019, les trois années de gestion, mhm. il était pour une dépense prévue de quelques 185 milliards, le rapport euh, d'audit euh, diligenté au niveau de ce ministère montrait qu'en fait, c'est près de 40% de ce montant qui est dilapidé par les gens en charge de, veiller à la dépense du secteur de 40%, parce que quand on voit les montants en cours, c'est environ 76 milliards sur 185, c'est assez important. Ça veut dire que le montant inscrit, prévu, parce qu'il y a plusieurs niveaux de discussion. Mhm. D'abord, le niveau d'exécution, et puis qu'est-ce qu'on a fait concrètement. Mhm. La pratique nous a démontré que ce qu'on inscrit dans ce domaine ne va pas nécessairement mhm. euh, dans la défense en tant que telle. Au début, rappelez-vous que tout le discours qui a été servi, il y avait une certaine corrélation entre les diminutions observées dans les secteurs sociaux santé, éducation, agriculture, élevage, et eh bien, et l'accroissement du budget destiné à la défense et à la sécurité, en faisant croire à l'opinion que justement le pays aujourd'hui pris en étau, il est en proie à plusieurs foyers de tension mhm. observés au niveau de, notre... Euh, au niveau du Nigeria, au niveau de la Libye, au niveau de la zone des trois frontières, Mali, Burkina, donc. Et on a estimé que c'est ça qui le justifie. Mais la pratique a démontré au fur et à mesure qu'on creuse un peu les ressources qu'on alloue dans ce secteur, c'est devenu une affaire mhm. d'affaires. D'accord. Donc, euh, nous allons revenir, M. Jory Ibrahim, pour parler en détail de là où vont euh, euh, toutes ces sommes qu'on alloue au secteur de la sécurité, c'est, pour, c'est à quoi ça sert eh, exactement. Nous allons à présent poser la question à euh, Hassan Boukar euh, de l'alternative espace citoyen de savoir au regard de ce qui est prévu pour l'éducation, est-ce qu'on peut penser euh, que le secteur peut finir avec un certain nombre de crises qu'on observe ça et là depuis longtemps, puisque actuellement on a des anciens chercheurs qui sont en grève, on observe plusieurs crises de la part des scolaires, des revendications. Est-ce que vraiment les 13% prévus peuvent permettre d'évacuer certaines difficultés. Ces ressources sont déjà allouées à des domaines bien précis. Mhm. Euh, je parlais tantôt des dépenses de personnel, puis vous avez d'autres catégories d'investissement, mhm. notamment pour des infrastructures scolaires, mhm. un peu pour euh, l'encadrement, n'est-ce pas, des séminaires, des ateliers, un peu de moins de fonctionnement de l'administration. Vous avez tous ces éléments. Mais alors, euh, les besoins à l'école, vous savez que c'est quand même un des secteurs qui connaissent le plus de crises dans ce pays. Mhm. Euh, ces problèmes sont tellement profonds. Euh, c'est en partie des problèmes financiers, mais le tout n'est pas financier, le problème de l'école. Il y a aussi, à mon avis, une question de choix des politiques. Mhm. Si vous prenez aujourd'hui la question des contractuels, ça pose énormément de, énormément de problèmes, énormément de difficultés. Mhm. D'abord, le fait qu'à travail égal, les gens ne sont pas traités de la même façon, ça pose beaucoup de problèmes. Euh, les autres problèmes sont liés à l'insuffisance du personnel enseignant. C'est vrai que j'ai vu par exemple pour le cas de l'enseignement primaire, ils ont prévu de recruter des, des, des, contractuels, je crois pour une enveloppe d'un peu plus de 2 milliards. C'est quelque chose comme ça qui a été inscrit au ministère de l'enseignement primaire. Mhm. Mais euh, il est difficile de dire aujourd'hui, au vu du budget à lui, que ça va régler tous les problèmes. En fait, le plus difficile, c'est que on ne voit pas aujourd'hui un plan clair qui permet de dire au bout de 4 ans, au bout de 5 ans, puisque ce n'est pas faisable en nana mhm. au bout de 4 ans, 5 ans, ou même de 10 ans, de dire on va sortir l'école des sentiers battus. On ne voit pas clairement ce plan-là. Pour l'instant, puisqu'on a des enseignants, il faut prévoir des salaires. Mhm. Puisqu'il y a des élèves, il faut prévoir des salles de classe. Mhm. Et donc, c'est à peu près ce que le gouvernement essaie de faire, à mon avis. Mais on ne voit pas derrière ces chiffres un plan clair qui permet de dire voilà une option qui est choisie par le gouvernement et qui permet à terme, aujourd'hui, de sortir l'école nigérienne des sentiers. Mhm. Donc, il y a ces chiffres, certes, derrière lesquels on peut voir un certain nombre de choses qui permettent peut-être euh, de faire tourner, ne serait-ce qu'à minima, l'école, mais je ne vois pas pour l'instant un plan clair qui permet de ces chiffres, de dire, OK, au bout de 3-4 ans, on va arriver à l'école que tout le monde souhaite voir dans ce pays. Je ne suis pas capable de le dire. D'accord, merci M. Hassan euh, Boukar. Nous allons observer une petite pause avant de revenir à Dior Ibrahim pour euh, continuer nos échanges. Alors, euh, merci chers invités, chers euh, téléspectateurs. Nous allons euh, revenir sur ce plateau à présent avec euh, Ibrahim. Dites-nous, monsieur Ibrahim, au regard des défis sécuritaires qui se posent à l'État nigérien, pensez-vous que cette somme allouée peut permettre quand même de pouvoir résoudre certaines difficultés c'est difficile de dire que ce montant permet de résoudre le problème parce que d'abord, on n'a pas quantifié le problème et dire que voilà ce que ça vaut. Mhm. Et que si on attend, ça permettra d'obtenir tel service et convertir tel service en sécurité. Mhm. Parce que l'objectif que tout le monde euh, souhaite voir atteindre, mhm. c'est de pouvoir non seulement protéger l'intégrité du, territoire contre l'agression extérieure, mhm. mais aussi protéger les personnes et les biens vivant sur le territoire national. Mhm. Qu'est-ce que D'abord, il y a une question de montant injecté et aussi l'efficacité pour transformer l'utilisation en sécurité en tant que telle. Difficile de le dire mhm. parce qu'on a simplement inscrit des montants et quand on regarde, euh, c'est le domaine qui laisse le moins parler sa vision. D'accord. dans le secteur, par exemple, de l'éducation, on peut voir un programme de l'éducation qui permet le problème de l'agriculture. On dit que ça pose 100 et voilà la vision. Mais dans le domaine de la sécurité, vous allez voir, bon, on dit 112 euh, milliards qu'on va inscrire et l'essentiel, on va dire, bon, c'est équipement, entretien des matériels, donc, paiement des personnels. nous allons parler de cette euh, question d'équipement. Euh, Dites-nous comment est-ce que c'est fait la répartition de cette somme qui est prévue, dans quoi est-ce qu'on utilise les sommes prévues Justement, c'est de ça que je parle. Essentiellement, pour le ministère, là, vous avez trois principaux programmes. Uh-huh. parmi ces programmes, vous avez le pilotage euh, de politique de sécurité, qui est un premier programme. Le second, qui est la question de la défense de la sécurité nationale. Et c'est le programme qui absorbe en fait l'essentiel du budget du ministère. Parce que sur les 112 milliards inscrits, ce programme euh, à lui seul absorbe pratiquement 80 milliards. Et là, quand vous regardez les 80 et quelques milliards qu'il y a là-dedans, et eh bien, l'enveloppe euh, la plus substantielle va sur l'action euh, orientée vers l'équipement équipement des forces, achat de, euh, entretien des matériels. Mhm. Mais concrètement, qu'est-ce que l'achat, là, l'équipement, à quoi ça, renvoie, mhm. l'entretien, voilà ce que c'est, n'est-ce pas mhm. Et donc, on ne dit pas ça va permettre d'acheter tel type d'armement à tel moment. Bon, c'est le domaine de, la défense qui est le plus obscur dans sa, dans sa gouvernance, en vérité, même si les autres acteurs ont ceci en commun, que le budget ne dit pas concrètement, voilà le besoin qu'on a évalué en termes de matériel qu'on va acheter, mais ça parle en termes d'argent. Ça mhm. fait partie de ces insuffisances. Et si vous avez jeté un peu le coup d'œil sur l'audit auquel j'ai fait allusion, mhm. l'une des recommandations qui est ressortie justement, c'est d'avoir un référentiel des prix, tant au niveau interne qu'à l'externe, quand on dit qu'on va acheter tant, mhm. parce que la gestion antérieure a été marquée par une euh, surfacturation et qui où les, les biens qui étaient achetés étaient largement au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Mais l'autre marche de ceux qui qu'il n'y avaient pas euh, au regard de, cette recommandation, donc un référentiel précis des prix. Il a fallu que l'équipe se déplace, y compris au niveau des unes, essaie d'évaluer et ramener finalement tous les gaps qu'il y a par rapport à cette question-là. Donc, uh-huh. il y a un véritable... Mais je pense que l'absence de précision et de détails uh-huh. dans les inscriptions budgétaires aussi cache l'intention uh-huh. de, de, de, pouvoir d'allocation. Celui qui inscrit euh, fait moins de précisions pour avoir plus de marge de manœuvre et donc plus de possibilités aussi de détournement. D'accord. Je pense que, j'aurais euh, dit un mot extrêmement important que la notion de transparence vous avez une sorte de mystification de lors qu'il s'agit de défense et de sécurité, qui veut que tous ceux qui regardent ce secteur soient totalement couverts de secrets. À force de vouloir dire ce secret, ça fait l'affaire des gens qui veulent manœuvrer dans le noir. Donc, à euh, mon avis, uh-huh. au-delà de ce qui euh, on ne se fait pas d'illusions, le domaine sécuritaire et celui de la défense est un domaine sensible. Uh-huh. Il y a forcément des choses qui échappent. Euh, euh, à l'opinion, qui ont besoin d'un minimum de secret pour prospérer. Mais les gens prolongent les choses, ils profitent de ça pour mettre le secret là où on n'a pas besoin. D'accord. Donc, donc est-ce que maintenant on peut revenir par parler de la question de sensibilité au jar? Quand dit-on euh, qu'un budget est sensible au jar? Merci beaucoup. Alors, euh, c'est quand même une question extrêmement importante. Mhm. la question de la sensibilité au genre renvoie au fait que le budget reconnaît que la population est composée d'hommes et de femmes. Uh-huh. Quand on parle de budget, on parle euh, de deux composantes majeures, c'est-à-dire euh, vous avez un volet recettes et un volet dépenses. Uh-huh. Lorsqu'on parle du genre, uh-huh. il s'agit euh, de faire en sorte que le budget reconnaisse à la fois les hommes et les femmes dans leur diversité, dans leur position sociale, dans les types de secteurs sur lesquels ils sont engagés et surtout conséquences différentes à la fois de la politique fiscale, mais aussi des choix, des priorités budgétaires à l'endroit des hommes et des femmes. D'accord. donc, par, euh, de les, conséquences du genre, mhm. les budgets affectent différemment les hommes et les femmes. Mhm. Alors, ça a toute une histoire. Mhm. Pendant longtemps, les budgets ont considéré qu'il était neutre au genre. Mais à force de travailler, à force d'interroger les budgets, à force de pousser plus loin l'analyse, on s'est rendu compte que là où on parle de neutralité, en fait, euh, on s'est rendu compte que les budgets ont choisi d'être aveugles au genre. Ils ne sont pas neutres. Et du coup, parce qu'ils ont choisi d'ignorer les discriminations du genre, les budgets le plus souvent perpétuent ces discriminations. Et donc, euh, est-ce qu'ils sont sensibles au genre ou non Si on parle d'un pays comme le nôtre, je pense que jusqu'à présent, euh, notre pays n'a pas fait l'option d'avoir un budget sensible au genre. Mhm. Euh, c'est vrai que euh, un ministère comme celui de la promotion de la femme mhm. bataille sur cette question-là depuis quelques années. Hassan Boukar, dites-nous, pourquoi dites-vous que le budget de Niger n'est pas sensible au genre parce, que, parce que simplement, le gouvernement a choisi, pour l'instant, de ne pas aller vers cette approche. Mhm. C'est un changement majeur en matière de budgétisation. De la même façon que on est passé à partir de 2017 d'un budget de moyens à un budget de programme, mhm. pratiquement une approche axée sur les résultats. Mhm. La démarche genre sensible est une autre approche mhm. qui permet de corriger les discriminations, qui permet de mieux respecter les droits humains, que ce soit les droits de l'homme ou les droits de la femme. Mais en tout cas, c'est une approche majeure en matière de budgétisation qui apporte un changement majeur dans la façon dont nous faisons aujourd'hui la budgétisation. Je le disait par exemple en matière de recettes, il faut aller à une analyse beaucoup plus fine euh, qui permet de dire euh, lorsque nous, le gouvernement décide de taxer tel ou tel secteur, lorsqu'il décide de prélever à tel ou tel pourcentage des taxes dans un domaine donné, comment ça affecte les gens. Mhm. Et les gens, n'oublions pas que c'est des hommes et des femmes. Mhm. Donc, ça fait une approche totalement différente de ce qui est fait aujourd'hui. Mhm. Et en tout cas, euh, pour l'instant, le gouvernement n'a pas choisi d'aller vers cette démarche sensible au genre, mhm. euh, parce que lorsque le budget va sur cette approche, il y a toute une démarche qui s'est faite avant, mhm. euh, de façon à dire comment on planifie la budgétisation, comment on planifie la politique fiscale, une analyse de la politique fiscale pour dire quel est son impact sur les, sur les femmes, sur les, sur les hommes, sachant bien que les hommes et les femmes ne sont pas des groupes homogènes. En matière de dépenses, dans les priorités que le gouvernement fait, comment les choix de dépenses que le gouvernement fait affectent ces différentes composantes du genre, mhm. les secteurs que le gouvernement privilégie, là où il subventionne, là voilà, il y a mhm. toute une analyse qui permet de savoir dans quelle mesure, finalement, on prend en compte cette donnée. Alors, ça ne se fait pas comme ça, si ça se fait euh, ça doit se savoir parce qu'il y a toute une démarche, il y a tout un choix qui doit être annoncé et tous les acteurs devaient savoir que le gouvernement a opté pour, euh, pour cette politique-là. Pour l'instant, uh-huh. pour l'instant, le gouvernement n'a pas opté et notre budget, il est loin, loin d'être sensible au genre et pour l'instant, c'est... D'accord, merci M. Hassan Boukar. Nous allons revenir à Djori Ibrahim. Dites-nous que pensez-vous de ce que vient de dire euh, Hassan Boukar quand il dit que le budget n'est pas sensible au jar et c'est le choix fait par le gouvernement. Oui, c'est un constat. Mhm. On constate que lorsqu'on regarde un peu les politiques de mobilisation des ressources, parce que budget, mhm. ce sont les deux volets, mhm. les deux dimensions. De, la première dimension sur comment est-ce qu'il organise la mobilisation des ressources, mhm. internes ou externes mhm. Où est-ce qu'il trouve l'argent pour mhm. parler terre à terre Est-ce qu'on peut un peu parler de cette question N'est-ce pas Où est-ce qu'il trouve l'argent Et quand on regarde comment est-ce qu'il trouve l'argent, comment est-ce qu'en cherchant à trouver l'argent qu'il doit constituer pour financer ses dépenses, comment est-ce qu'il respecte l'effectivité des droits des gens Comment est-ce qu'il n'affaiblit pas ou renforce quelqu'un Or, quand on regarde, par exemple, un, euh, détail, ce que l'essentiel de mobilisation des ressources internes au niveau de l'État du Niger, c'est à travers la TVA, mhm. qui est un impôt aveugle, mhm. qui frappe les consommateurs indistinctement de son niveau mhm. de revenus, et de là qui appauvrit ceux qui ont un niveau moindre, faible. Parce qu'en vérité, ceux qui sont économiquement bien assis, le plus souvent sont moins touchés par ce type d'impôt. Et donc, on voit bien chez qui il fait, quand ils mobilisent. Mhm. Et lorsqu'il s'agit des dépenses, mhm. les plus fragiles, qui sont les femmes, les jeunes, les gens vivant en milieu rural, n'est-ce pas mhm. Parce que c'est en fait ça. La finalité du budget, quand on mobilise les ressources, c'est un instrument de solidarité. Et lorsqu'on dépense, ça vise à atteindre un résultat. Quel est le résultat recherché s'il est effectivement sensible au char. Mhm. le résultat recherché, c'est d'assurer l'effectivité des droits en commençant d'abord par protéger les plus vulnérables, mhm. qui sont ces catégories-là, mhm. en protégeant leurs droits. Or, lorsqu'il s'agit de dépenses, quand on regarde là, eh bien, ces dépenses ne sont pas orientées vers les besoins des plus faibles. On l'a vu, lorsqu'on voit par exemple l'éducation, mhm. comment est-ce qu'elle en finance l'éducation Eh bien, l'écrasante majorité de la population qui en est exclue du fait de l'insuffisance des ressources, là, ce sont les pauvres gens. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la ville, on réduit sa chance de fréquenter l'école. On réduit sa chance de fréquenter l'école aussi d'une certaine qualité. Mhm. Ça, c'est d'un élément d'explication mhm. que le, gouvernement n'a pas voulu aller vers là. Parce que ça a un coût. Mhm. Et ça signifie qu'il faut avoir une connaissance détaillée du niveau de vie de tout le monde pour qu'en mobilisant les ressources, qu'on fasse le choix de ne pas fragiliser ceux qui ont des signes de fragilité, de faiblesse. Mhm avoir aussi une bonne connaissance de l'ensemble des besoins des gens pour y injectant des ressources qu'on sache, voilà le résultat qu'on veut dans la transformation sociale en matière de réalisation. Mais le gouvernement ne le fait pas. Il dit tout simplement, je veux tel montant, ça va venir de l'intérieur, je prends tel endettement. Et lorsqu'on qu'il fait, mais en fait, il frappe les générations actuelles, il fragilise y compris les générations futures. Mhm. On en a vu déjà dans même ce, euh, comment ce qu'on appelle les, postes de défense, mhm. le paiement de la dette vient en, en première ligne. Lorsqu'on utilise les ressources, qui on renforce mhm. Tout le monde y a vu mhm. que les ressources publiques renforcent d'abord ceux qui occupent des positions privilégiées, qui sont dans les entreprises, qui bénéficient des exonérations, qui sont au niveau de la gouvernance et des affaires publiques, qui qui détournent, qui renforcent leur capacité, et leur qualité de vie au détriment du plus grand nombre. Ça fait que la chose politique, pour vous l'indiquer, c'est l'attrait aujourd'hui de la chose politique. Mmh. Il est plus facile au Niger, il est plus tentant mmh. de créer un parti politique que d'étudier pour renforcer ses capacités ou de créer une entreprise parce que là-bas, quand vous y allez, les ressources publiques sont orientées d'abord par les vers l'élite politique. Alors, euh, chers invités, avant de parler des perspectives pour une meilleure orientation des allocations budgétaires, nous allons écouter M. Aissami Turoma Mahamadou, qui est directeur des projets et programmes au niveau du ROTAB, réseau des organisations pour euh, la transparence et l'analyse budgétaire. Monsieur Turoma, dites-nous quelle est votre appréciation par rapport euh, à la loi des finances de 2021. L'appréciation générale que nous pouvons faire, c'est que vraiment, il ne prend pas toujours en compte suffisamment les sociaux de base. Quand vous prenez le seul euh, secteur de l'éducation, vraiment c'est toujours la même chose. ce qui a été prévu que l'État va injecter dans le secteur de l'éducation, ça n'atteint toujours pas la promesse politique que, l'État avait faite. Ce qui a été prévu aussi, ça n'atteint toujours pas les, objectifs donc, du, PSF. Et vraiment beaucoup d'engagements internationaux relatifs à l'éducation que le Niger a, signé. Donc si vous voyez de façon générale, vraiment les, les secteurs sociaux sociaux débat sont toujours les parents pauvres de, cette loi de finances-là. Alors, monsieur euh, Turoma, que pensez-vous des fonds destinés au secteur, au domaine de la sécurité dans cette loi de finances 2021 Les fonds qui sont vraiment euh, destinés à, être investis dans le secteur de la sécurité, vous avez vu la fameuse affaire du ministère de la Défense nationale. Finalement, on a vu qu'il y a eu beaucoup de surfacturation, il y a, eu du n'importe quoi en un mot. Mais nous, nous, pensons que même si c'est peu, ce qui a été prévu là, s'il est bien géré, il est bien utilisé, vraiment, ça peut servir à faire quelque chose. Vous savez, nous, ce qu'on fait quand on prend chaque fois le budget de euh, national, on fait une lecture thématique. On prend en fonction des, des, des secteurs nous sait qui nous intéresse et ce qui intéresse surtout les citoyens, c'est qu'est-ce qui a été prévu, qui va directement ou qui peut aller jusqu'aux citoyens, jusqu'à la base. Vous voyez, quand vous prenez par exemple les secteurs sociaux de base, vous prenez l'éducation. Si l'État investit suffisamment dans l'éducation, on pense que les enfants du pays vont être bien éduqués, ils vont avoir accès à une éducation de base. Donc le peuple, le citoyen à la base va tirer quelque chose. Quand vous prenez la santé, la même chose. Si on investit suffisamment dans la santé, vous allez voir euh, nos parents qui sont au village, ils auront accès à, les soins, à des soins donc de santé de qualité. Donc ils vont tirer quelque chose au moins de, de, de ce budget-là. Les investissements qui sont en train d'être faits ou bien l'utilisation qui est en train d'être faite, c'est très peu des choses qui peut arriver au monde rural, aux citoyens à la base. La plupart du temps, quand vous prenez les programmes qui sont, ou bien les sommes qui sont prévues, ce qui est dépensé, c'est vraiment des choses de, fonctionnement, des choses de, de, suivi, des trucs comme ça. Là. Mais vous allez voir les vrais investissements qui devait aller jusqu'aux citoyens à la base vous allez voir que même les crédits qui sont alloués, même ce qui a été prévu, il n'est pas totalement dépensé. Merci, merci, M. Euh, monsieur euh, Turoma. Dites-nous alors quel est votre mot en guise de perspective. Lançons peut-être un appel vraiment au, à l'État, aux, différents ministères sectoriels, vraiment de tout faire, de mettre en œuvre vraiment toute leur énergie, tout leur savoir-faire pour que les sommes qui sont prévues être investies vraiment euh, dans le développement à la base, dans le développement social, soient vraiment investies et que cette, somme là soit vraiment dépensée pour que ces services sociaux-là, dont le citoyen peut se prévaloir, dont le citoyen peut en tirer profit vraiment, soient financés de façon conséquente et de façon euh, vraiment suffisante. Quand vous prenez la sécurité, hein, c'est une mauvaise gestion, hein. vraiment clairement. Dieu merci, depuis un certain temps avec la nouvelle équipe qui est venue, on sent vraiment que ça commence à aller. On sent une certaine amélioration avec le, les nouvelles autorités au niveau du ministère, avec euh, les nouveaux responsables. Mais quand même, l'appel que nous faisons toujours, c'est vraiment d'essayer d'être intègre, de faire une utilisation optimum et vraiment une utilisation saine de ces ressources-là qui sont destinées à la sécurité. Nous pensons que si vraiment il y a une bonne utilisation, s'il y a une utilisation éthique qui est faite de ces ressources-là, ça peut faire quelque chose, ça peut contribuer à vraiment contenir certaines un foyer d'insécurité, ça peut servir vraiment à quelque chose. Mais le problème vraiment, c'est cette utilisation-là. Euh, Monsieur Mustafa Boukar, dites-nous, en guise de perspective, Hassan Boukar, dites-nous en guise de perspective, qu'est-ce qu'il faudra faire pour une meilleure orientation des allocations euh, budgétaires je pense qu'une une des approches qui a la portée du gouvernement, c'est la participation citoyenne. Mhm. Le budget repose sur un mythe euh, le mythe selon lequel ceux qui dirigent connaissent les problèmes de leurs diriger. Mhm, mhm. On a eu l'occasion à plusieurs reprises de voir que finalement, les priorités du gouvernement ne coïncident pas forcément avec les priorités de la communauté. Mhm. La participation citoyenne permet de mobiliser tous les citoyens, qui sont avant tout les contribuables, et de faire ressortir les vraies réalités de la communauté. Nous sommes un pays où le législateur a quand même fait tout un travail pour organiser le contrôle, pour sécuriser les finances publiques. Mm-hmm. Mais on voit qu'à l'épreuve, ce n'est pas opérationnel, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qui justifie cet état de fait Je pense que c'est un problème d'homme, mm-hmm. c'est un manque de sanctions, mm-hmm. c'est l'impunité qui fait que les gens peut facilement détourner des ressources dans ce pays. Je pense que s'il y a des sanctions, s'il y a un vrai contrôle aujourd'hui, ces choses-là n'arriveraient pas. Mais au sein même de l'administration, vous avez tout un schéma. Si vous voulez sortir des ressources, si vous voulez encaisser, il y a toute une démarche de comptabilité, mhm. une démarche administrative qui est là. Si ces démarches-là étaient respectées, mhm. normalement, les finances seraient mieux gérées. Mais aujourd'hui, je pense que les gens volent facilement de l'argent mhm. dans ce pays où vous avez parfois du mal à assurer les trois repas quotidiens. Mhm. Des individus sont là, ils s'en prennent, mhm. ils prennent notre euh, argent collectif, puisque l'argent, les finances publiques, c'est notre argent à tous, c'est notre bien commun. Ils peuvent facilement prendre ces ressources-là, sans pitié pour personne. je pense que la responsabilité aujourd'hui mhm. incombe à ceux qui ont le devoir d'empêcher ce vol, ceux qui ont le devoir de sécuriser l'argent. Et qui sont ces gens mais c'est le président de la République, c'est le Premier ministre, ce sont les patrons de l'administration. nous avons cette obligation. Et je pense que pour ce pays-là, franchement, aujourd'hui, au vu de ce qu'on voit, nous sommes à la fin d'une législature. Mhm. Malheureusement, aujourd'hui, dans tous les débats qu'il y a dans le cadre de la campagne, pour les législatives, pour le présidentiel. Il n'y a pas d'espace, malheureusement, pour faire la critique de ce qui a été passé, pour que les choses ne reviennent pas. Je, crains fort après ces élections, de, on hein. revienne encore à la même situation. C'est euh, Djori Ibrahim, dites-nous quelques mots en guise de perspective. Ce ne sont pas les techniciens et la cohorte des, des hommes politiques qui doit déterminer l'orientation d'une société. Lorsqu'on garantit la transparence, mhm. la participation à tous les niveaux, tant dans la chaîne des prévisions que des dépenses, mhm. et la gestion qu'on en fait, ça facilite la compréhension et ça assoit le consensus mhm. qu'il faut pour stabiliser une société. La deuxième chose, je conclue là, c'est que la question de la sécurité et l'adhérence d'un pays ne se gagne pas simplement et exclusivement à travers l'équipement militaire, en injectant un peu plus de justice n'est-ce pas Et euh, dans, le corps social, mhm. on garantit le mieux sa, la défense de cette société-là on a beaucoup plus besoin d'avoir un minimum d'informations parce que l'essentiel des devoirs que nous avons, mhm. ce que l'ennemi surprend. Ce n'est pas un rapport de force supérieure en termes de puissance de feu, mhm. mais c'est un rapport qu'elle a supérieur en termes de capacité de, de renseignement sur l'ennemi et qui le surprend et se transformer en dernier lieu. Uh-huh. Merci. L'école, merci. <laughs> Merci, l'éducation, uh-huh. les champs uh-huh. des agriculteurs et les espaces pastoraux comme les meilleurs endroits où on peut gagner la guerre en y mettant un peu plus de ressources et en renforçant le niveau de vie des gens pour que les jeunes ne soient pas tentés par l'aventure euh, terroriste que nous avons aujourd'hui dans D'accord, merci, merci, merci, monsieur Djori, Ibrahim. Euh, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de notre émission Forum du Studio Kalangu, qui nous a permis d'échanger sur la question de la sensibilité au genre de l'éducation et de la sécurité dans les prévisions budgétaires de la loi des finances 2021 au Nous avons retenu dans ce forum qu'il faudrait créer les conditions de définir les priorités, de faire en sorte qu'il y ait une participation citoyenne qui peut permettre de connaître les vraies préoccupations de la population, de faire en sorte de respecter la réglementation existante, faire en sorte qu'il y ait des sanctions à tous les niveaux. Nous étions donc dans ce forum en compagnie de Hassan Boukar qui est directeur des politiques publiques au niveau de Alternative Espace Citoyenne et de Diori Ibrahim qui est analyste en matière budgétaire, domaine de la sécurité. Et également de M. Aïsami Chiroma qui est directeur de projet et programme au niveau du ROTAP. Présentation Bakim Mustafa. À la régie technique Aminatou et au niveau de la réalisation vidéo, Mustafa Ayouba. Merci et à bientôt